De Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. Les femmes en migration. Un podcast du studio Epoukaï. Ça fait combien de fois j'ai déposé le visa pour partir en Europe dans le voie légale Mais ils me refusent le visa. Et ce que je gagnais, ça ne suffisait pas pour satisfaire tous les besoins me concernant et aussi pour mes frères et sœurs. Donc c'est ça qui m'a motivée à migrer au Maroc. Il me refuse le visa. Cela veut dire qu'il te pousse d'aller traverser dans la mer. Au Sénégal, quand on parle de migration, on imagine le plus souvent un groupe de jeunes hommes voguant sur une pirogue incertaine à destination des îles Canaries. C'est oublier que parmi les migrants, il y a beaucoup de migrantes. Que leur voyage soit légal que leur destination soit l'Europe ou un autre pays africain, on ne parle quasiment jamais de ces femmes voyageuses. Alors, quelle est l'histoire des migrations féminines au Sénégal Quelles en sont les motivations En quoi ces migrations sont-elles différentes de celles des hommes Dans ce podcast en 7 épisodes, nous donnons la parole aux premières concernées. Leurs origines sociales sont diverses, leurs parcours le sont aussi. On ne peut pas résumer les même le fait de vivre seul, prendre ton appartement, avant mon immigration, je pas le faire du tout. C'est mal vu, mais quand je suis rentrée au Sénégal, c'était plus un problème pour moi. De Dakar au bout du monde, des femmes en migration, c'est un podcast fabriqué à Dakar par Ibrahim Adjouf et Claire Rivière avec la complicité de Gilles Balizé.